vendredi 2 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum de la presse de Sud de Kalangou que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord d'éducation au Niger, où 890 établissements scolaires ont été fermés pour euh, insécurité. C'est selon un rapport de l'UNICEF en date du 23 août 2022. Il sera en question de la montée des eaux du fleuve Niger constatée depuis le début de la troisième décade du mois d'août suite aux fortes précipitations enregistrées dans les sous-bassins en amont du fleuve selon les experts. Nous terminerons avec la question du fonds d'aide à la presse 2019-2020 qui sera distribué aux médias bénéficiaires très bientôt selon le secrétaire général du Conseil supérieur de la communication. Pour échanger sur ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Elhaj Mahamadou Suleiman, il est le directeur de publication du journal Niger Inter. Bonsoir Elhaj. Bonsoir. Maimouna Diado, journaliste indépendante, bonsoir. Bonsoir, Nafisa. Et Ousmane Sidikou Doumbia, journaliste indépendante. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis Nafisa Adam Sirfou la modération. Dans un rapport en date du 23 août 2022, l'UNICEF annonce que 890 établissements scolaires au Niger sont fermés pour cause d'insécurité. En tout, ce sont 835 établissements primaires et 55 écoles secondaires qui privent près de 72 000 élèves d'éducation, soit une hausse de 17,5% par rapport au mois de mai, euh, indique l'institution. Quatre régions sont concernées. Il s'agit de la région de Tilaberi, Tawa, Maradi et Difa. Alors je commence par vous, euh, El du journal Niger Inter. Ces chiffres, quelle analyse vous suscite cette situation et les chiffres même annoncés par l'UNICEF, que vous suscite réellement ces chiffres euh, Ces chiffres sont effrayants euh, quand on, voit la jeunesse euh, euh, qui, les enfants qui ne vont pas à l'école, euh, c'est presque environ 80 000 euh, enfants qui ne vont pas à l'école. 890 écoles fermées, vous voyez ce que ça fait. Et selon donc l'UNICEF aussi, la région de Tilaberi occupe justement les plus de 80% de ces donc euh, il y a Tawa, Maradi et Difa qui sont également concernés. Mhm, mhm. Euh, Tawa et Tilaberi et Tawa particulièrement euh, étant donc un peu donc voisins de la frontière malienne, c'est l'effet justement donc de cette insécurité. Mhm. qui fait que bon, véritablement, c'est assez préoccupant. En plus de, des écoles, il y a les centres de santé. En fait, c'est la vie qui est en train d'être euh, mise entre parenthèses, euh, c'est-à-dire qu'on euh, attend le retour à la situation normale. Mhm. Effectivement, on le sait, dès qu'il n'y a, pas de sécurité, ça engendre absolument rien. Mhm. Absolument. donc, mais franchement, c'est inquiétant lorsque, dans ce contexte, les enfants ne vont pas à l'école. Donc, c'est l'ignorance qui va justement les emporter et par conséquent, c'est des éventuels. Euh, on ne le souhaite pas. Donc, lorsqu'on se rend compte que, euh, effectivement, vous voulez dire que ce sera un frein au développement du pays Absolument, je, je, le pense. Mhm. Euh, ça, ça c'est des conséquences véritablement qu'on va ressentir longtemps au niveau de notre pays. Mhm, déjà, par exemple, vous savez, dans l'optique de l'IDH, euh, l'éducation fait partie justement du poids qui tire vers le bas notre pays. Mhm. Et effectivement, lorsque cette situation euh, vient aggraver, parce que aussi même quand dans notre région, même à Maradi, c'est euh, l'insécurité au niveau donc des frontières avec les, les, les, les États du, Nigeria. Mhm. À également, c'est donc cette situation d'insécurité. En Donc véritablement, cette situation va impacter donc euh, notre développement socio-économique. Euh, donc, espérons tout simplement euh, que les autorités, en tout cas, puissent davantage prendre des de, mesures pour qu'on puisse véritablement freiner cette insécurité. Et là, vous voyez, jusqu'ici, le débat, en tout cas, la situation telle qu'elle est, qu'elle se présente, on peut dire que véritablement, si on y prend garde, ça pourrait se dégrader euh, parce que tout simplement, euh, plus. Euh, donc, il n'y a pas de sécurité dans mhm, les, mhm. dans, dans, dans, les villages. Les gens ont tendance à déserter. Et vous voyez, ce n'est pas une question de, de parce qu'en termes de développement, lorsque les ne peuvent même pas produire, ils quittent les champs. Mhm. Vous voyez, tout cela en fait combiné, c'est certain justement que la situation du pays prend un coup et ça va véritablement euh, se ressentir pour, longtemps tant que la, la, situation n'est pas maîtrisée, la situation de sécurité. Mm-hmm. on, on, se souvient justement à un moment, le ministre de l'Éducation nationale, quand ils ont fait justement cette situation, euh, euh, donc, on, on, se rappelle qu'effectivement, même au niveau de l'État, on ne peut pas faire du miracle. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ici, l'idéal, donc, c'est dire que en fait, la situation, les enfants vont rester justement dans cette situation tant qu'il n'y a pas le retour de, de, la, sécurité. Oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des alternatives que l'État peut prendre pour faire face, ils ont fait des propositions mhm. maintenant de regroupement. En tout cas, il le faut absolument, donc dans la mesure du, possible. Mais vous voyez, c'est très, très, complexe. Là aussi, demande, là où on va regrouper les enfants, il faut encore de la sécurité. Donc tout cela, en réalité, euh, n'est pas, pas rassurant. Euh, parce que tout simplement, le mal, le mal absolu, la solution, j'allais dire, mhm. c'est justement euh, venir à bout justement du terrorisme. Nous allons revenir euh, vers vous, Elage Suleiman. Memouna, selon tout, le rapport de l'UNICEF, la région de Tilaberi est la plus touchée par cette situation avec plus de 800 écoles et fermiers. Selon vous, comment expliquer vraiment cette situation et quel impact même sur le système éducatif de cette région euh, merci Nafisa. Euh, comment expliquer cette situation bon, la, situation pour d'abord Tilaberi, c'est parce que nous avons déjà euh, était en avance déjà sur l'insécurité mm. euh, parce que c'est le Nord Mali et quand le Nord Mali, si le Nord Mali est déstabilisé, euh, ça ne peut qu'être répercuté euh, sur la région de Tilaberi. Et la région de Tilaberi comptabilise le grand nombre, en tout cas, d'écoles fermées mhm. euh, jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, comment est-ce qu'il faut peut-être analyser les choses C'est que euh, si l'on y prend garde, il y aura encore d'autres écoles qui seront fermées. Mais mhm. nous ne le souhaitons pas mais où, à l'allure où vont les choses, ça veut dire qu'il y a des villages aujourd'hui où ces populations n'ont ni accès au centre de santé, comme il a dit. ont déserté, ont déserté complètement, complètement. Ils ont déserté les villages là pour se retrouver dans les, les centres urbains. Et moi, je pense que vraiment, il y a péril. Euh, euh, l'État, l'État, c'est vrai, est en train d'accompagner, mais ce euh, c'est pas suffisant. Il faut un plan B. Il faut essayer d'analyser cette situation de Tilaberi, essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai, si les centres, si aujourd'hui ceux qui quittent les villages mhm. pour venir dans les centres urbains, il y a des écoles qui ont été renforcées, qui ont été euh, construites pour mhm. pouvoir accueillir ces enfants. Mais est-ce que on pourra rester dans cette situation euh, de désertion de ces, villageois mm. euh, en provenance euh, justement de ces centres urbains. Parce que là, il faut, également regarder les mm-hmm. centres urbains. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la capacité dans ces centres urbains-là d'accueillir tous ces enfants-là qui, doivent aller à l'école mm-hmm. Parce que c'est une nécessité aussi. C'est un droit pour les C'est un droit et c'est une nécessité pour un pays. Voilà. Donc maintenant, je propose que peut-être d'essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire pour sécuriser ces villages-là qui sont aux alentours justement euh, de cette frontière avec le Mali mm. pour pouvoir voir dans quelles conditions réhabiliter ces écoles-là. Mm, mm puisque on parle de réhabilitation de ces écoles-là, on parle de l'éducation au Niger, et c'est, nous savons que l'éducation, en tout cas, c'est ça qui prime. Et des enfants qui ne vont pas à l'école risqueraient de se reverser dans le banditisme et tout. Oui, certes, l'État a sa part de responsabilité. Euh, qu'en est-il de la population mais la population a sa part de responsabilité mhm. aussi, mais est-ce que la population peut faire face à cette insécurité Parce qu'on on, voit que c'est un peu euh, ça dépasse l'entendement. Cette insécurité dépasse l'entendement. Du moment où l'État aussi n'arrive pas à régler cette situation d'insécurité, ce pas les pauvres populations qui peuvent régler cette situation. Ça ne peut pas être euh, vraiment euh, facile. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est que qu'on réfléchisse véritablement comment est-ce qu'il faut sauver l'école au niveau donc de ces régions qui sont touchées. Mhm. Parce que là, nous sommes déjà en septembre et bientôt, le 15 septembre, euh, la reprise, pour euh, ce qui est des écoles secondaires. et le primaire ça sera en octobre. Mais déjà, il faut songer à ça. Il faut vraiment qu'on donne la possibilité à tous ces élèves, à tous ces enfants nigériens, la possibilité d'aller à l'école. Mhm. Si on veut réduire le banditisme sur... Euh, dans certaines localités du pays. Mm. Il faut songer à ça. coup, Ousmane Doumbia, euh, près de 72 000 élèves privés du droit à l'éducation, euh, ça en dit beaucoup Beaucoup plus que l'on l'imagine, euh, Madame. Et souvenance euh, sur ce même studio, en son temps, quand le ministre a fait euh, son point de presse relativement à ces écoles fermées, mhm. quant aux solutions proposées, nous avions dit que c'était des solutions de courte durée. Loin de nous de jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais il va falloir vraiment que les autorités ou bien les spécialistes s'y penchent véritablement. Aujourd'hui, avec le pourcentage où Tilaberi malheureusement tient la part belle au nombre d'écoles fermées. Moi, je me dis que c'est une alerte. C'est une alerte au même titre que les autres hein, régions, mais mhm. pour le cas spécifique de Tilaberi, mhm, euh, c'est une, alerte. Parce que le contexte sécuritaire, non seulement il est ce qu'il est, Maintenant, c'est bien beau de penser à regrouper, à l'âge, l'a si bien dit, mais regrouper comment et quand c'est-à-dire, tant que la sécurité n'est pas garantie, mm-hmm. moi je ne vois pas comment on va penser à, regrouper euh, euh, pour pouvoir permettre à ces enfants de bénéficier de leurs droits, mm-hmm. d'un de leurs droits les plus fondamentaux. De la même manière que l'éducation est un droit, c'est un devoir pour l'État de trouver les mécanismes savants à travers lesquels non seulement on va sécuriser les enfants, on table beaucoup plus sur ces enfants-là qui deviennent oisifs. Mhm. Moi, je pense à ces enseignants. Du coup, aujourd'hui, il n'y a pas que les élèves. Il faut mhm. bien qu'il y ait euh, des enseignants pour enseigner ces, élèves. Malheureusement, euh, le bout du tunnel ne semble pas être mhm. pour bientôt, mais je pense que euh, vraiment, ça doit alerter les uns et les autres. Vous l'avez si bien dit, incessamment, ça va être la rentrée à mhm. plusieurs niveaux. Déjà, nous sommes en saison pluvieuse. Quand on sait que ceux qui restent encore d'établissements euh, dans la plupart des contrées sont habités par ceux dont euh, leurs demeures ont été envahies par les eaux, mhm. moi, je pense que ça doit alerter les uns et les autres. Il mhm. faut, de prime abord et de facto, sécuriser c'est-à-dire euh, le, lieu de regroupement de ces, différents, euh, de, ces différentes écoles fermées. Mhm. Ensuite, vraiment, leur garantir de bout en bout la, la, la, sécurité. Sinon, euh, les chiffres, vraiment, ils sont assez effarants. Ils sont interpellés à plus d'un. Moi, je ne vois pas, je ne vais pas faire chapeauter la responsabilité mhm. entière à l'État. Moi, je pense que tous les acteurs. Chacun a une partition à jouer et vraiment les gens se doivent de jouer leur partition pour sauver ceux qui peuvent encore l'être. Pour le moment, il cite euh, quatre régions telles que Tilaberi, Tawa, euh, Maradi et Difaï. Euh. Donc il faudrait vraiment que l'État prenne vraiment des mesures pour lutter contre cette insécurité et garantir ce droit à l'éducation à tous ces enfants du Niger. Nous passons donc euh, au deuxième sujet du forum de la place de ce jour, alerte orange sur le fleuve Niger, suite à une soudaine montée des eaux au début de la troisième décade du mois d'août. Cette soudaine montée fait suite aux fortes pluviométries enregistrées dans les sous-bassins en amont du fleuve selon des experts. Et cette montée euh, mérite une vigilance selon eux explique euh, Kone Sungalo, il est expert en modélisation à l'autorité du bassin du Niger. Je vous propose de l'écouter. Il faut dire que depuis le 25 août 2022, euh, nous sommes au niveau de la station hydrométrique de Niamey, au seuil de la lettre jaune. Cela signifie que il faut être vigilant. Depuis le 29 août 2022, nous avons franchi le seuil de la lettre orange et pour nous, le seuil de la lettre orange demande un peu plus de vigilance, surtout renforcer euh, l'observation et aux autorités locales préparer déjà les sites d'accueil au cas où il y aurait des montées brusques de l'eau pour atteindre la lettre rouge. Euh, il faut dire que cette crue locale que nous observons en ce moment peut aller jusqu'en fin septembre, début octobre. La période critique, c'est actuellement, donc fin août et début septembre. C'est cette période-là qui est critique. Et à partir de, du mois de, septembre, nous allons entrer dans la phase de la crue guinéenne qui, elle, est beaucoup plus maîtrisable. Vous venez là donc euh, d'écouter Koné Sungalo, l'expert en modélisation à l'autorité du bassin du Niger sur cette euh, montée du fleuve euh, Niger qui est en alerte orange actuellement. Alors, c'est du coup, quelle est votre réaction face à cette alerte des experts de la l'ABN <coughs> Ma réaction est de plus inquiétante euh, mhm. parce que, euh, entendre le, euh, spécialiste, la psychose, elle est là. Mhm. On atteste les différents passages de la lettre jaune, orange et tantôt on risquerait de tendre vers le rouge. D'autant plus que les autorités locales, comme il l'a si bien dit, doivent vraiment dès à présent, je pense, prendre, le taureau par les mhm, cornes les digues qui ont l'habitude de céder, vraiment, c'est de vérifier leur réhabilitation. Je sais qu'à un moment donné, elles ont fait l'objet de réhabilitation. Il faudrait que les experts aillent pour constater de visu le sérieux si ça a été, parce qu'il ne faudrait pas euh, faire pour faire. On en a eu l'expérience, on a vu pas mal de digues qui ont cédé avec les conséquences que l'on sait. Mhm. Donc, il faudrait vraiment que les autorités là, locales euh, s'y prennent. Il faut que les populations aussi, c'est-à-dire celles qui habitent les zones inondables, songent déjà à quitter oui. les. C'est là où moi je ne comprends pas, <laughs> euh, parce que une fois on les a fait, Mais je pense que des mm-hmm. sites même leur ont été réservés. Pour beaucoup, à tort à raison, ils ont même bradé les, parcelles. Mm-hmm. Ce n'est pas une excuse. On peut bien comprendre l'attachement au milieu. Mais là, c'est de leur vie qu'il s'agit. Mhm, mhm. Leur vie en dépend. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas euh, que, ça soit, comme dirait l'autre, le médecin après la mort. Vraiment, il faut que euh, qu'elles sachent ces populations qu'elles ont tout intérêt à mhm. quitter ces zones inondables. L'expert l'a si bien dit. Donc, il ne faudrait pas que... La vigilance, la vigilance pardon, doit être de mise. Moi, je pense que les autorités locales doivent vraiment euh, cravacher dur à savoir comment s'y prendre pour que ces populations comprennent que vraiment le risque qu'elles encourent en restant, à continuer à, rester dans ces zones inondables. Et j'interpelle au passage vraiment les autorités municipales à aller constater dès à présent euh, les, les, digues qui n'ont pas été réhabilitées et celles qui ont été réhabilitées, mhm. constater de visite tout le sérieux a été eh, mis pour la réalisation de cette digue. Parce que malheureusement, certaines digues n'arrivent même pas à être. Elles Beaucoup ont cédé avec mhm. les conséquences que euh, l'on a Il ne faudrait pas que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Il faudrait fixer chacun devant ses responsabilités, euh, comme de l'être comme ça. En cas de qu'est-ce qu'il y a, on saura qui interpeller et conséquemment sanctionner pour avoir foutu. Mais Mouna, comment vous accueillez cette alerte de l'ABN mais, euh, c'est Surtout à cette période où les inondations sont signalées. Ah, euh, mais c'est ça, ça c'est vraiment prendre ça au sérieux. Mhm. Parce que c'est un expert qui parle, c'est pas n'importe qui. Donc, euh, lui, c'est son domaine connaît, c'est pour ça qu'il est en train d'alerter la population. Donc, alerter la population, comme l'a dit Sidikou, moi je comprends pas. Les populations, euh, ils sont là, on leur demande de déguerpir, on leur donne des parcelles, ils n'arrivent pas. Ces populations reviennent à chaque fois sur les mêmes lieux, mais mon sang, la vie humaine, elle est sacrée. Mhm, mhm. C'est comme l'a dit Sidikou, se souvenir des, années précédentes, oui, les dégâts qui ont ça, les dégâts, les pertes en vie humaine. Mhm. C'est ça, il faut, il, faut, il faut revenir sur ça, il faut penser à cette situation-là. Et moi, je me dis qu'en fait, il faut maximiser la sensibilisation de ces populations. C'est vrai, d'autres vont dire qu'on en a beau fait, mais il ne faut pas baisser les bras. Mm. Continuer à sensibiliser et également faire en sorte que, comme l'a dit Sidikou, les... Euh, les, les, doivent être également euh, faire l'objet de contrôle et de suivi. Mm. Mm. Est-ce que le travail est bien fait Si le travail est bien fait, c'est l'expert qui peut le dire. Maintenant, si ce n'est pas bien fait, que vous savez que ça peut céder, mm. même pour une, pluie qui vienne seulement, une seule nuit peut faire céder ça. Donc, dans ce cas, il faut prendre des mesures. Et là, je pense que c'est toute la population, l'État, les et également euh, la, population, l'État, hein, qui doivent s'y mettre. Mm. On ne devrait pas dire seulement que c'est l'État qui doit, en tout cas, prendre la responsabilité, elle est partagée ici. Mm. Parce que moi, quand je sais que ma maison, je suis à côté du fleuve, je suis à côté d'une euh, euh, un espace inondé, là, c'est à moi d'abord de prendre des mesures. Mm des mesures d'abord pour sauver ma vie et pour sauver la vie de certaines personnes qui sont avec moi. Mm. Mais quand je reste là-bas et que la pluie et les averses viennent me, me, trouver à mon endroit, mm. il y a inondation, c'est pas à ce moment qu'on va crier pour dire que l'État ne vient pas. Oui, l'État, l'État, l'État, nous sommes là, l'État mm. ne veut pas nous aider, l'État. Non, non, non, non. L'État a sa part de responsabilité comme la population a sa part de responsabilité. Mhm. Il faut que chacun d'entre nous essaie de voir notre responsabilité. Il faut assumer les responsabilités à tous les niveaux. Mhm. Et là, les maires doivent également s'y mettre. Parce que c'est ça. Il faut, vous savez déjà, nous avons cinq, mairies mhm. et nous avons cinq entités. Ça veut dire que dans chaque entité, le maire est capable de savoir là où il y a. Et plus les, communes qu'on connaît qui sont les plus touchées chaque année, notamment la commune, la, commune 4, la commune 5. Mhm. Mais il ne faut pas oublier également, il y a des communes où c'est des villages qui sont rattachés à ces communes-là, où il y a des inondations mhm. là-bas. Donc, je propose que chaque commune, chaque commune s'y mette pour aller voir, vérifier dans mon entité qu'est-ce que je dois améliorer, mm-hmm. qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser ces populations-là, qu'est-ce qu'il faut arrangé comme digue ou quelque chose qui peut contenir en tout cas l'alerte qu'on vient d'entendre mhm. de, d'entendre tout de suite. Mais il ne faut pas aussi attendre pour dire que non, peut-être que c'est la commune 4 qui est toujours affectée, la commune 5 qui est toujours affectée. Non, nous sommes dans un changement climatique. Mhm. Ça peut être la commune 1, ça peut être la commune 2. Mhm. Dans ce cas, il faut vraiment que ces maires aussi grouillent. Il faut donc euh, prévenir euh, d'éventuels euh, de ce effectivement. Alors vous, Elhaj Mohamed Souleiman comment vous percevez cette euh, alerte de l'ABN ben, C'est à prendre au sérieux. Euh, se trouve que bien avant, euh, puisque dès le départ de, de début de la campagne, la météo, en tout cas, a clairement annoncé que cette année va être humide. Donc, le mois d'août, absolument. Ont que le et je pense, en plus de cette alerte de la météo, euh, le gouvernement a comme cette fois-ci particulièrement euh, communiqué à travers même les, les, de téléphonie mhm. où il y a des messages d'alerte. la, direction de la, de protection civile euh, alerte constamment les gens. Ils ont clairement demandé aux gens, ceux qui sont dans, des mhm. zones inondables, vraiment de se retirer, de ne pas prendre euh, le, risque. Mm-hmm. Et très malheureusement, c'est du coup l'a dit, les gens sont attachés à leur terre souvent, il faut constater les dégâts. Et tout cela, euh, vous voyez, euh, en fait, cumulé avec les changements climatiques, mm-hmm. parce qu'aujourd'hui, franchement, même les pays qui ont des moyens développés font face à des phénomènes, donc des catastrophes C'est le changement climatique. Absolument, climatique. Mm-hmm. Et lorsque, effectivement, nous venons de parler d'autres priorités euh, la question d'éducation les enfants qui, ne sont pas à l'école. Mm. Lorsque dans un pays comme l'autre, tout est prioritaire, on a donc ces situations. Franchement, ça aggrave. Euh, j'ai suivi ce matin le bulletin de la protection, civile, mm-hmm. euh, la lettre du 31, donc à la date d'hier, disent qu'il y a 121, 000 personnes sinistrées, dont 12 972 maisons effondré. Donc, en plus de cette zone d'inondation, en fait, notre pays, tellement, en fait, on est fragile parce que aussi l'habitat ne s'y est pas mm-hmm, mm-hmm. à des grandes pluies. Mm-hmm, donc, quand il y a des grandes pluies, vous voyez tout cela cumulé, c'est qu'il il y a beaucoup de pertes de vies humaines, et des animaux, donc, des de, de, biens. Euh, tout ça, c'est à gérer. C'est vraiment une question à prendre Il y a, des, des, mécanismes de gestion, donc, euh, de prévention et de gestion des catastrophes. Mais c'est une question de moyens. Est-ce qu'on a suffisamment de moyens Effectivement, on se souvient aussi. On se souvient également, le gouvernement avait appelé les bars chaque année, c'est devenu un rituel. Mhm. On réunit les bars de fond pour dire bon, voilà on a un programme, voilà. On donc, euh, un fonds <laughs> Donc, vous voyez, en réalité, c'est chez nous, les pluies sont véritablement de catastrophes. Euh, et cette année, véritablement, euh, on, on, le voit, nous sommes aujourd'hui le premier euh, septembre, il a plu. Mhm. Donc, euh, et on pense que selon la ça va aller peut-être jusqu'à. Absolument. donc, cela veut dire que véritablement, il faut prendre très au sérieux donc, cette alerte de euh, de l'ABN. Mais les personnes vulnérables, même les riverains, comment comprendre leur entêtement de rester vraiment sur les lieux alors ce n'est pas, pas, une question <laughs> En réalité, ce que j'ai dit justement, c'est ce <laughs> sont têtus, mais véritablement aussi, c'est moi je peux dire que c'est peut-être le manque d'alternatives. C'est-à-dire que même s'ils quittent, euh, il n'y a pas une alternative, il n'y a pas en fait euh, une situation meilleure qui est, proposée. Parce que, donc, sont Mais euh, hmm. Hmm. qu'est-ce que l'État peut leur proposer même En plus aussi. qu'est-ce que l'État peut leur proposer quand, on prend ici, par exemple, ici à Niamey, quand l'État a proposé souvent des, des, des, des terrains où les jeunes hmm. doivent aller. Mais malheureusement, c'est devenu aussi un business où euh, les pauvres personnes ne peuvent pas mettre en valeur les terrains, ils vont les brader. Mhm. Finalement, c'est un truc à recommencement. Et euh, mais justement, donc, euh, donc véritablement, je suis d'accord avec mes confrères, il faut que justement au niveau des mairies, qu'il y ait un peu plus de, de, de, rigueur. Parce que simplement, en réalité, lorsque les gens ne sont pas conscients effectivement, que euh, c'est leur vie qui a neigé, mhm. mais l'État, effectivement, doit euh, vraiment prendre absolument, je absolument. Et euh, peut-être même pour leur empêcher de retourner sur les lieux, de, de retransformer peut-être les. oui, effectivement. Des hydro, oui, oui. Des rizières, des rizières, je sais pas. On n'a pas besoin d'en arriver là. Voilà, vous êtes sur des zones inondables. Mhm. Donc, vraiment, on a prévu des sites à cet effet. Mhm. Bon sang, c'est-à-dire une fois euh, ce sont les mêmes causes qui sont en train de produire les mm, mêmes mm, effets. À mm, l'État, moi je dis, il faut, même s'il y a lieu de les contraindre, c'est vrai, là j'en ai parlé que euh, euh, peut-être leur lieu de, de, de, de, redéploiement ou bien de relogement euh, toutes les commodités n'y sont pas. Mais quand même, moi je pense que c'est bien, mhm. c'est bien. Mais c'est mieux que de rester exposé mhm. votre vie à chaque fois. Euh, donc, moi je pense que s'il y a lieu même de mettre des FDS sécurisés, mhm. les empêcher de, de, revenir. On ne peut pas mettre en fait, parce que déjà nous, nous avons l'insécurité de l'autre côté. mais s'il faut également déployer des. alors qu'on a besoin de. a l'autre côté. Cas, les mécanismes moi, je pense que le mieux, c'est de ratisser. C'est mhm. de ratisser. On regarde, on vous a donné les parcelles. Allez-y. Oh, on, revient. Non, on essaie de ratisser et on mhm. essaie de faire un plan B avec l'endroit. Le, plan B, le plan B de les contraindre vraiment à ne plus revenir dans ces zones mhm. inondables. ils vont revenir on espère, on espère bien que l'État puisse vraiment prendre ces euh, mesures. Euh, si on sait que vraiment le, ces, ces, communes de la ville de Niamey ont vécu des situations difficiles les années précédentes, effectivement, des dégâts matériels, des pertes en vue humaine arrivons au dernier sujet du forum euh, de la presse de ce jour. Euh, le fonds d'aide à la presse à euh, 2019-2020 est toujours en cours d'exécution, mais sera bientôt distribué aux médias bénéficiaires, a indiqué le secrétaire général du Conseil supérieur de la communication au studio Kalangou. Le non-respect du délai de transmission des besoins de certains médias au CSC explique le temps pris pour la distribution de ce fonds, ajoute-t-il. Pour rappel, ce fonds est destiné à la formation des journalistes et à l'acquisition des équipements pour les entreprises des médias. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du CSC Ousmane Garba. Après la répartition du fonds d'aide, euh, le CSC a fait des correspondances pour envoyer au niveau des médias pour leur demander de spécifier leurs besoins. Les correspondances sont parties vers le 5 août 2021 et il a fallu en novembre pour que le dernier organe de presse puisse envoyer la liste de ses besoins. Vous voyez, quatre mois plus tard, ce qui a du coup freiné le processus. Parce qu'on a donné un délai de deux semaines. Après ça, il y a tout un processus il y a plusieurs types de matériel qu'il faut acquérir. Donc aujourd'hui, les contrats ont été établis avec les fournisseurs et on espère que d'ici la fin du mois de septembre, que ces équipements-là seront attribué à tous les médias bénéficiaires. Quant aux formations, le CSC a lancé des avis, demandé aux journalistes de postuler. Il y a aussi des correspondances au niveau des médias pour leur demander de proposer un certain nombre de journalistes qui vont accéder à la formation. On vient d'écouter donc Ousmane Garba, le secrétaire général du Conseil supérieur de la communication, euh, sur les raisons euh, de la non-distribution de, de, ce fonds à la date d'aujourd'hui. Mais il comme raison, c'est le non-respect du délai par certains médias de, de faire venir leurs euh, besoins. Qu'est-ce qu'on euh, doit comprendre vraiment de ces raisons avancées par le secrétaire général du CSC c'est ce qu'il explique comme raison. Mais moi, je ne pense pas que ce euh, c'est pas une raison. C'est pas une raison qu'on dise que c'est ceux qui sont bénéficiaires, les médias bénéficiaires qui n'ont pas respecté le timing. Ils ont donné, il dit, selon lui, un délai de deux semaines. Un délai de deux semaines. Mais est-ce que dans un délai de deux semaines, est-ce que dans un délai de deux semaines, tu peux répertorier eh, eh, le matériel que, en fait, dont tu en as besoin Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, depuis qu'ils ont pris cette initiative, que le soit Que le oui, que le le fonds soit indirect. Moi, je pense que c'est ça où les problèmes ont commencé. Je pense qu'une entreprise qui a besoin de fonds de roulement. Est-ce que cette entreprise véritablement a besoin qu'on lui dicte sa conduite mm-hmm. il, faut être clair. Le fonds d'aide à la presse, on a dit bien à la presse. Mm-hmm. On n'a pas dit que c'est le CSC qui doit gérer, en tout cas ce fonds d'aide-là, et dicter la conduite à suivre à ces, promoteurs. Donc, selon vous, il n'y avait pas vraiment besoin de transformer ce fonds, que ça soit en don de matériel, je formation vois pas, Je vois pas, je vois pas, parce que c'est un, euh, une subvention de l'État. Hmm. c'est une subvention de l'État On l'attribue à ces médias qu'ils font, font, ce qu'ils en veulent. Voilà, qu'ils en fassent parce que c'est toi qui connais le problème que tu as dans ton entreprise. Mais peut-être ils ont compris que le besoin de ces médias, ce sont les matériels, la forme, le renforcement de capacité. Mais est-ce que ça a changé Ça a changé quelque chose depuis qu'ils ont pris cette initiative à ça n'a rien changé. parce ça Mais ça n'a rien changé. Parce que moi, j'ai besoin aujourd'hui, avec cet argent, peut-être pour payer mes créanciers, pour payer le salaire à mes agents. Aujourd'hui, les médias sont dans des difficultés c'est des sept mois sans salaire, c'est des six mois sans salaire. Et vous demandez à ces médias-là qui peuvent avoir le fonds d'aide à la presse pour pouvoir régler ces problèmes de situation d'abord mm-hmm. de ces agents-là qui travaillent là-bas, qui sont en train de faire d'accumuler des mois sans être rémunéré, que, vous donnez, euh, peut-être que j'ai besoin d'un problème, j'ai un problème de mhm. console, ceci, j'ai un problème. Mais est-ce que tous les médias ont des problèmes Oui, c'est votre vision oui, même de, ce fonds d'aide à la presse, la manière dont il est distribué. Et eh bien, selon le secrétaire, et ça sera bientôt distribué à ces, médias bénéficiaires. Ça, sera distribué. On a vu comment est-ce qu'il y a d'autres, il y a d'autres médias qui ont fait des demandes de véhicules, des demandes. Mais qu'est-ce qu'on les a servis peut-être que le montant <laughs> ne, suffit pas à payer. Et moi, je ne suis pas d'accord du fait que je ne suis pas d'accord du fait qu'il faut d'abord postuler euh, pourquoi là pour avoir le fonds d'aide à la presse. Le fonds d'aide à la presse, tout le monde devrait bénéficier de ce fonds d'aide à la presse quand même. Alors, ça, en je reviendrai vers Wallach Suleiman. Euh, <laughs> qu'est-ce que vous pensez, vous, euh, d'ailleurs, de ce fonds de presse, d'aide à la presse ben, Franchement, je partage l'avis de Memouna, à savoir que le fait de changer de nature. Le fonds était direct. Le fonds d'aide à la presse était direct où on doit remettre à chaque organe de presse qui lui revient. parce que personne ne connaît ta maison, c'est prend presque toi. Mhm. Euh, maintenant, euh, le CSC, euh, ils ont modifié la loi pour faire ce qu'ils ont proposé et je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement, même pour postuler, mhm. parce que simplement, il n'y a pas beaucoup de motivation. Mhm. Les gens ont des problèmes réels mais on leur propose autre chose. Vous voyez, par exemple, euh, la formation. Mais on leur donne la latitude de proposer leurs besoins. Mais, euh, euh par exemple, ce que on a dit, ils vont te dire que non, le fonds de la presse n'est pas destiné au fonctionnement, on ne peut pas faire payer des salaires avec, avec, tout cela. Mais même euh, en dehors de ces choses-là, chaque organe a ses difficultés. Euh, vraiment. C'est-à-dire que l'idée, je me mm. souviens, lorsque la première année, en 2018, lorsque ce, la, la, la, mise en œuvre de cette loi, effectivement, la maison de la presse avait fait un communiqué pour véritablement dénoncer cette situation. Mhm. Et nous pensons que véritablement, euh, ce n'est pas un progrès. Une réforme doit se sentir vraiment comme un progrès. Euh, mais arrêtez, c'est pour nous une, pour une régression. si on comprend, placé vous pour voulez dire qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun grand changement que ce fonds d'aide C'est une régression parce que par le, par, le, passé, mhm. quand c'était direct, euh, vous avez en fait, en vérité, c'est-à-dire que sur la base des préjugés, mais il y en a vraiment qui sont conscients qui veulent en faire des, de presse. Mm-hmm. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous amuser lorsque vous avez l'opportunité euh, d'avoir ces moyens. Vous allez équiper euh, votre organe, ce que les moyens à acheter, mais c'est pas à quelqu'un de vous l'imposer. Mm-hmm. Donc, par exemple, vous voyez, même dans ce que vous dites là, ça fait de 2019 à aujourd'hui, nous sommes en 2022. Mm-hmm. Donc, vous voyez, non seulement ici, cette léthargie euh, ne peut pas s'expliquer face à des gens qui ont des problèmes urgents à régler. Mhm. Euh, donc, moi, je pense que euh, véritablement, quand je vois ça depuis que ça a commencé, cette réforme, il n'y a pas beaucoup, il a pas beaucoup pour postuler au niveau donc, des, mhm. organes de presse. Mhm. Même au niveau de la formation aussi, on ne voit pas justement le résultat de ces, formations. Il faut savoir s'arrêter la s'arrêter la réforme n'a pas amené, euh, en tout cas, un plus par rapport à, donc par conséquent, c'est un débat. Je pense que euh, les gens doivent se dire que euh, non, ils ont osé franchement une réforme, mais qui n'a pas vraiment porté du, tout de résultat. Elle est, en fait détournée le fond de, sa, de, de, son objectif. Et je pense que de ce point de vue, il va falloir au niveau donc des organisations refaire le débat, voir comment initier euh, le retour au statu quo ante. Mhm. Parce que tout simplement, on se rend compte que euh, tel que euh, le fonds est, distribué, franchement, ça n'a pas d'impact sur, les organes. Vraiment, pour me, pour me résumer, moi, je, je, dis, en tout cas, sans embâche, que franchement la réforme du fonds d'aide à la presse, ça n'a pas été un progrès. C'est du coup oui, selon vous, êtes-vous d'avis, selon vous, que ce fonds d'aide indirecte n'a vraiment pas eu d'impact positif à la date d'aujourd'hui à ces organes de presse C'est un fiasco sur toute la ligne, honnêtement parlant, parce que avec cette mhm. réforme, mhm. comme Alhaj l'a dit, aucune plus-value n'est ressentie. Et cette réforme, je vous le dis, elle a été faite à dessein, parce que les gens étaient mûrs, par des dessins inavoués. La preuve, prenons le cas des, formations dont ils disent. Je vous assure une liste à circuler, madame. des gens qui vont être formés, mhm. des, soi-disant bénéficiaires de la liste qui vont être formés. Quand vous allez voir des noms, vous allez tomber des nues. C'est vous dire que toute la mafia qui, qui, qui, qui, qui entoure cette histoire de formation-là, est-ce que quelqu'un d'autre peut savoir dans votre maison là, là où c'est là, est connue donc elle est connue de tous cette situation. Mais on dit le temps est le temps est meilleur juge, le temps est le tribunal de l'État. Et je vous assure, euh, tôt ou tard, les gens vont se rendre compte ce pourquoi cette réforme-là a été introduite. Hmm. Parce que initialement, quand ces destinants ont donné ça, euh, c'était direct. Au moins, aussitôt après, euh, après l'acquisition de ce, de fonds-là, il vous arrive de voir des organes se sont dotés, mais, ne serait-ce que du matériel. La, modification, la, modification de, ce, de, l'attribution de ce fonds d'aide n'a pas été faite euh, comme ça. Peut-être c'est sur une base, oui. Laquelle des bases, madame Et la preuve, les collègues l'ont si bien dit, aujourd'hui, honnêtement parlant, s'il y a lieu d'évaluer cette réforme-là, aucune plus-value. Je vous prends au pif le cas spécifique de la formation des hommes des médias. Et je vous dis, et je vous le redis, uniquement euh, au regard de cette formation, je vous assure qu'il y a des noms, quand, quand, vous allez voir la liste, des gens dont on dit à travers les différentes filières euh, qui, vont être enseignées à l'éthique. Qu'est-ce que, vous recommandez donc au CSC qui gère ce fonds euh, Est-ce que de revenir à l'ancien, à l'ancien ordre Quelqu'un d'autre ne peut pas venir quand même, aujourd'hui quand même, tous les organes ont quelques géométries variables, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc comment on va me dire que non, euh, ils ont demandé le, le, fournisseur de... Arrêtons vraiment bas la terre. Moi, je pense qu'il est grand temps. il est grand temps que l'instance de régulation se ressaisisse. Parce qu'à la limite, vraiment, cette réforme, elle a montré ses limites et c'est pour ça que je dis c'est un fiasco. Mais, les promoteurs l'ont décrié depuis. Les promoteurs ne sont pas, ne pas d'accord avec cette situation. Oui, la modification de Tout le monde, même, même, même, les médias, même les journalistes qui travaillent dedans ne sont pas concernés. C'est ça que Sidikou veut te faire comprendre. Les vrais concernés, ce ne sont pas les vrais concernés qu'on envoie sur le terrain de formation. dans ce cas, moi, je ne vois pas l'intérêt euh, L'intérêt de cette réforme. De cette réforme. Parce que si cette année je postule, par exemple, mon organe postule, j'ai un fonds qui doit m'appartenir. Hmm. On me demande de faire, euh, euh, de citer mes besoins. Hmm. Je cite mes besoins. L'année prochaine, je reviens encore. Donc, je vais encore citer les mêmes, besoins ou qu'est-ce que je vais faire avec parce que si chaque année je dois changer le matériel, je dois acheter le matériel, mais bon sang, je ferai quoi avec tout ça hmm. Je ferai avec quoi tout ça Parce que si je dois, normalement, on doit me mettre à la disposition de ces fonds, je saurai comment est-ce que je dois m'y prendre avec ce fonds. Mais malgré toute cette situation, qu'est-ce que vous proposez ou bien appel aux différents médias bénéficiaires pour faire un bon usage de ce... Mais faire un bon usage Toi, quand le, le, fonds qui n'est pas direct... C'est ce que je disais. Ce n'est pas direct. Comment est-ce que nous, on peut dire... Les matériels, on peut tirer bénéfice des différents matériels. Est-ce que le matériel qu'on va donner, c'est le matériel de qualité est-ce que c'est des matériels de qualité est-ce que c'est vérifié que ce ne sont pas des matériels de qualité est-ce que c'est des matériels de qualité Parce que nous, on ne peut pas dire que mhm. Mhm. c'est des matériels de qualité. Mhm. Il y a un exemple, par exemple, oui. Euh, voilà. Quelqu'un euh, devrait avoir un climatiseur. Selon nos informations, on a amené un vieux. Euh, euh, truc. Euh, donc, par conséquent, en faisant, faisant attention. moi, je reviens sur un élément critères. Sur les critères. Sur les mm-hmm. critères de distribution du fonds ah. aussi, on se rend compte que pour faire bénéficier le maximum d'organes, ces critères-là sont très euh, vraiment exigeants. C'est exigeant, c'est très exigeant. Et je pense que le but de la philosophie de monde à la presse, de permettre qu'il y ait vraiment un peu vraiment de, presse. un moyen d'accompagnement, oui, vraiment parce que réalité, notre presse est très précaire parce que l'économie, la publicité, euh, fondamentalement, euh, et aussi la vente de, de, produits. Mais quand vous regardez, essentiellement la publicité, dans tous les cas, c'est un litige qui est là. Euh, jusqu'à présent, on attend la loi sur la publicité. La presse n'a pas accès à la, publicité. Voilà pourquoi, en réalité, euh, la situation de la presse nationale euh, de précarité fait que cela un coût sur, sur, la qualité. Mhm. On n'a pas dans ce pays, en tout cas, d'entreprise de presse parce que simplement, on n'est pas en train de d'entretenir parce que véritablement, quand je, je vois déjà quand on voit le fonds par rapport aux besoins de la presse nationale, ce fonds, il est insignifiant. Il est insignifiant, oui. Il est, insignifiant. Donc, euh, comment, en fait, vous voyez, nous sommes dans ce cadre de démocratie, pendant les 30 ans et quelques là, en tout cas, mhm. on ne songe pas véritablement à faire euh, à aider la presse avoir mhm. Et ça, c'est un problème réel. Mhm. Madame, ce que je dis, moi, à l'ancien système, je ne dis pas que tout était parfait. Mm-hmm. C'est qu'il y avait quelques petits impairs. Mais quand même, à l'ancien système, tous ici, autant que nous sommes, nous étions sur le terrain. Dès acquisition de ce fonds-là, il arrive de voir certains organes se sont dotés, soit de véhicules, de, nouvelles caméras, de, nouvelles consoles. Bref, c'était visible, c'était palpable. Donc, euh, tout, le contraire de ça. Sur, euh, le, direct. le direct, l'unanimité et il faut rehausser l'enveloppe. On l'espère bien, on le souhaite bien. Et donc, euh, c'est ici que prend fin <laughs> le forum de la presse euh, de ce vendredi 2 septembre 2022. Nous étions en compagnie de Mme Memoune Diado, elle est journaliste indépendante, Elhaj Mahamadou Suleiman, directeur de publication du journal Niger Inter, et Ousmane Sidi Koudoumbia, journaliste indépendant. Merci, chers invités, d'être venus et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche de 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et les samedis et dimanches, à partir de 18h15, les forums en langue Hausa et Zarma. La technique est assurée par Amina Hassan et la régie vidéo Seni Saka. Je suis une Adam Sirfa à la modération. Très bon week-end à tous.